Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mercredi 6 juillet 2022. Monsieur Dam, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur le miroir de la femme le centre de conférence Mahatma Gandhi a servi de cadre ce matin à la cérémonie du lancement de l'opération Zéro Payotte à Niamey. Et c'était sous le patronage du premier ministre chef euh, du gouvernement, son Excellence Oumoudou Oumamoudou. Les temps avec Ramatoumou. Cette cérémonie officielle du lancement de l'opération Zéro Classe Payotte à Niamey à travers un table ronde Initié par l'honorable député, le président du conseil de la ville de Niamey, Omar Mouni avec l'accompagnement de la région de Niamey, s'inscrit dans la logique de mettre fin à la construction des classes en palette dans un premier temps à Niamey et dans les autres régions du Niger. Construire des classes en matériaux définitifs pour mettre fin aux requérants incendies. La ville de Niamey, en tant que démembrement de l'État, s'est cru devoir participer un temps soit peu aux côtés de plus hautes autorités nationales à l'atteinte des objectifs fixés au système éducatif nigérien. La présente table ronde est dédiée au volet infrastructure qui est à notre sens un élément fondamental dans le maillage du système éducatif. Autant dire que la ville de Niamey est très heureuse d'organiser la présente table ronde. Elle l'est d'autant plus que d'une part, elle s'aligne très judicieusement derrière la philosophie de l'éducation que les autorités nationales ont déclinée, et d'autre part parce qu'elle cherche à créer les conditions optimales pour une sécurisation de nos enfants qui représente en un point douté le futur de notre pays. Quoi donc de plus normal que la ville de Niamey veuille anticiper et organiser une table ronde pour une amélioration des conditions de travail pour les vaillants et valeureux enseignants à qui nous rendons un vibrant hommage, sont toutes bien méritées, et celle d'études à nos élèves qui sont tributaires des conditions souvent peu enviables pour leur apprentissage. Nous pouvons estimer au niveau de la ville de Miami que notre objectif de pouvoir impliquer et mobiliser nos partenaires pour répondre aux besoins des populations est en passe d'être atteint. En effet, un des objectifs visés par la décentralisation est le développement social. Ce développement social doit se faire par la population et pour la population. La mise en action et en relation des acteurs locaux est un des facteurs déterminants pour la réussite de ce projet Zéro Classe Payotte. Nous avons l'intime conviction que chaque acteur peut jouer un rôle dans la réalisation de, ce projet sociétal. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu à féliciter et à remercier vivement les autorités régionales et communales de Niani pour cette initiative qui cadre avec la vision du gouvernement, à l'occurrence celle de mettre fin aux classes payotes à court terme pour répondre à une forte demande sociale en éducation consécutive à une forte pression démographique dans un contexte d'extrême rareté de ressources publiques, notre pays a été amené au fil des années à faire recours à des salles de classe en paillotte pour accueillir en moyenne chaque année aux alentours de 600 000 nouveaux élèves rien qu'au cycle primaire. Cela se traduit évidemment par un cumul d'environ 6 000 classes en paillotte sur l'ensemble du pays, malgré d'importants efforts consentis par l'État et ses partenaires en matière de construction et d'équipement scolaire. Malheureusement, la ville de Niamey, malgré son statut de capitale et donc de vitrine du pays, n'est pas épargnée de ce contraste désolant de classes en Dans l'optique de répondre rapidement à cette problématique de classe en mon département ministériel a proposé un modèle alternatif de salle de classe à structure évolutive, moins coûteux et facilement reproductible. À cet effet, mon ministère est disponible à partager avec tout partenaire qui le souhaite les documents relatifs au plan architectural du modèle alternatif en question. Dans son mot de lancement, le Premier ministre, chef du gouvernement, a affirmé que la question d'infrastructure constitue une véritable préoccupation. L'éducation joue un rôle crucial dans la promotion sociale de l'être humain et dans le développement économique et social d'un pays. Les classes en paillotte constituent un véritable danger pour les enfants et les enseignants. Avec les incendies récurrents, dont euh, malheureusement certains sont dramatiques. Dans le cadre des différentes réflexions pour le remplacement progressif des classes en paillotte par des classes en matériaux définitifs, le gouvernement s'est engagé à lancer dans ce sens un vaste programme de construction d'infrastructures. La réalisation d'un tel programme nécessite l'appui et l'apport de tous, la population est appelée à contribuer à la création d'un environnement d'enseignement et d'apprentissage adéquat, gage d'une éducation de qualité, protéger la vie des enfants et leur offrir une meilleure condition d'études. Les jeunes volontaires pour l'environnement ont lancé une campagne de sensibilisation hein, dénommée Tabaski Écolo sur toute l'étendue du territoire. Quel est l'objectif euh, de cette campagne sur les réseaux sociaux à quelques jours de la fête euh, de Tabaski Les détails avec euh, Haïssa Adamou et Abdelmoumouni Abdraman. Un mouton, un arbre, c'est le slogan retenu pour contribuer à un changement de comportement afin de réduire la consommation du bois à travers la campagne de sensibilisation initiée par les volontaires pour l'environnement du Niger, le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique en collaboration avec des structures évrant dans le domaine de la protection de l'environnement à l'approche de cette fête du tabac. Sachant que nous sommes un pays désertique, un pays où le fleuve Niger est, ensablé en train de mourir, un pays où la crise climatique se fait de plus en plus présente, un pays où quand il fait chaud, il fait excessivement chaud d'année en année. Donc face à l'ensemble de ces constats, nous nous sommes dit qu'il est important d'agir, il est important de contribuer dans la sensibilisation des communautés pour un changement de comportement, en lien avec la réduction euh, euh, de la consommation du bois. Parce que euh, une étude du ministère de l'Environnement indiquait que euh, rien que dans la ville de Niamey, presque 40 euh, à 50 000 tonnes de bois sont consommées en une journée, ce qui est équivalent de 20 000 à 25 000 arbres abattus. C'est énorme et nous pensons qu'à ce rythme, notre pays ou bien notre environnement ne peut pas supporter cela dans le domaine depuis 2017, les jeunes volontaires pour l'environnement s'engagent plus que jamais cette année en attaquant le taureau par seconde pour atteindre leur cible à travers les réseaux sociaux qui sont l'un des médias de masse et d'actualité pour lancer les défis à relever et passer leur message d'engagement. Et donc voilà l'idée de lancer la Tabaski Écolo pour dire euh, essentiellement quatre messages clés à l'endroit de la population. Premièrement, euh, nous appelons l'ensemble de la communauté à une réduction euh, de la consommation du bois durant Tabaski à travers les grillades collectives. Il est important pour ceux qui optent pour la, euh, pour la grillade euh, d'éviter de faire une grillade pour un ou deux moutons alors que dans les quartiers, plusieurs familles peuvent se rassembler et faire une, une grillade collective, ce qui va réduire leur utilisation de bois. deuxième message, c'est de dire aux gens d'utiliser les alternatives au bois les alternatives au bois, euh, nous préconisions l'utilisation du charbon minéral. Et le charbon minéral, pourquoi Parce que euh, ce n'est pas que ce n'est pas dangereux pour l'environnement ou tout ça, mais parce que le charbon minéral euh, est produit au Niger, c'est un produit de notre sous-sol, et c'est un moindre mal par rapport au charbon de bois ou au bois du Niger. Donc voilà pourquoi nous préconisons, nous encourageons les gens à utiliser le charbon minéral comme alternative et nous déconseillons l'utilisation du charbon de bois parce que euh, le charbon de bois, pour l'avoir, il faut brûler du bois et pour avoir un kilogramme de charbon de bois, il faut brûler à peu près 6, 5 à 7 kilogrammes de bois. Donc <laughs> mieux vaut utiliser du bois que d'utiliser du charbon de bois. Donc voilà pourquoi notre option euh, pour nous c'est le gaz ou le charbon minéral. Maintenant, troisième message, c'est de dire aux gens qui le peuvent d'observer ce qu'on appelle zéro grillade, puisque la grillade n'est pas une prescription religieuse. Quand tu sacrifies ton moutons, mouton, tu peux couper et distribuer ou bien cuire et manger avec ta famille. Parce que ça se fait à Zender, à Difa ou dans d'autres localités lointaines du Niger. Donc on peut aussi les faire. Ou bien, celui qui égorge plusieurs moutons, il n'est pas obligé de griller l'ensemble de ses 5, 6, 7 ou 10 moutons. Il peut griller une partie et puis conserver une partie. Euh, cela va réduire aussi la quantité de bois qu'il va utiliser le jour de Tabaski. Et notre dernier message, le quatrième, c'est de dire aux gens qu'il est important qu'on puisse tous contribuer au réverdissement de notre pays, euh, à la restauration du couvert végétal, en plantant et en entretenant des arbres chaque fois qu'une grande occasion se présente ou un grand événement tel que la fête de Tabaski. D'où le slogan Un mouton sacrifié, un arbre planté. À noter que Tabaski Écolo est une campagne nationale qui en appelle à l'éco-citoyenneté de tous. Adhérons donc tous à cette belle initiative pour sauver notre environnement. Parlons toujours euh, de la fête euh, de Tabaski. En principe, le sacrifice n'est valable que par euh, l'immolation recommandée remplissant aussi l'âge légal de la bête destinée au sacrifice. Quelles sont ces conditions Le consultant islamologue Boubacar Saïd nous explique. Parmi les animaux, nous avons d'abord le bélier, parce par importance, nous avons le mouton. Dans le mouton, vous avez le bélier ou la brebis. C'est ça l'important. Après, maintenant, vous avez le bouc ou la chèvre. Après ça, vous avez le, la euh, le bœuf ou la vache. Et après, maintenant, c'est le chameau et la chamelle. Le mouton, il faudra que ce soit un mouton de 6 mois évolue sur mois et quelques, et, quelques mois. Il faudra, que, il que ça soit un mouton qui atteint l'âge de six mois. Et pour vraiment les chèvres, c'est l'âge d'un an. En dessous d'un an, ça ne doit pas être, on ne doit pas sacrifier euh, cet, animal. Et pour vraiment la vache, il faut avoir, euh, euh pour avoir euh, deux ans. Et maintenant, pour le chameau, il faut avoir cinq ans. Donc voilà ce qu'il faut immoler. la suite de cette édition, les grandes vacances scolaires, une période euh, de repos sans classe euh, ni devoir. Qu'est-ce qui peut occuper ce temps pour euh, les enfants L'on constate que d'autres profitent de cette occasion pour exercer euh, certaines activités génératrices euh, de revenus. N'est-ce pas, Zainab Les petits commerces sont des activités économiques euh, exercées par plusieurs enfants et surtout des élèves de tout âge confondu pendant les vacances scolaires. Ces enfants s'adonnent à plusieurs commerces pour subvenir à leurs besoins et épauler les parents. La période pluvieuse, une période pendant laquelle il y a une abondance de la noix de dôme, une raison qui pousse tant d'enfants vers la commercialisation de cette noix de dôme. C'est le cas de Ibrahim, élève en classe de CM2 qui a profité de ses vacances pour faire un petit commerce. Je suis en classe de CM2. Pendant les vacances, j'achète et je revends noix de dôme. Je vais aider mes parents pour qu'on m'achète un joli habit de la fête. Je vais acheter le cahier et le bic et le pour la rentrée. Ces petits commerces sont une manière pour ces enfants de joindre les deux bouts, préparer la rentrée scolaire prochaine et alléger les charges de leurs parents dans les dépenses familiales. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.